amiru tout ça la fada da fatan kuna lafiya et que vous tenez bien le coup dans wannan ciwon na covid-19 c'est fou comme cette épidémie a tout chamboulé de business kin matasa da ya sa cikin juna wannan mugun ciwon ya hana karatu ma tun da sabilin shi de makarantu an liƙe et jusqu'au 18 avril et ce n'est pas qu'ici un peu partout dans le monde yara na gida dan a hana yaduwar wannan ciwon don su numero muna so mu san menene wa'annan 'yan makarantar da mushushukan su bref comment ils vivent cette situation Bien sûr, nous aurons nos incontournables pauses musicales la chronique Gimfada aujourd'hui qui va parler de quoi Olivier Ravi d'avoir si je te dis aujourd'hui que tu es testé positif. Est-ce qu'on peut considérer que tu es malade Ah, je rien du tout. Arrête ça. Concrètement, la grosse question de la soirée, c'est est-ce qu'on est testé positif veut dire qu'on est malade J'ai essayé ah d'avoir des réponses. On va essayer de se retrouver à la fin. Ok, pour, euh, <laughs> ok, parce que tu m'as fait peur là. Non, tranquille. <laughs> D'accord. Vous le savez déjà, amis jeunes, la FADA innove toujours pour être plus proche de vous. Dans sa nouvelle euh, rubrique, rubrique sensibilisation Covid-19, qui sera réalisée à chaque fois par Dondi, il y a comme da Fenobi. Pour ça, artiste qui n'a pas été gaskiya. Yau shi ne za ku qui wasi kashi ta faɗakarwa ba su kan wannan annobar ta Covid-19. A wannan fadar tamu mun gayyato Zainab Bubakar Zaku, elle est présidente de Jeunesse Plus. Zainab, ça va? Kina lahiya? Merci bien d'avoir répondu à cette invitation. Non, pas de quoi, on est ensemble. <laughs> Nous avons également M. Isaac Omarou du SINASEB, euh, M. Munkaila Ibrahim, SGA de l'USN. Ça va Ça va bien. Nous avons également le plaisir de recevoir M. Albade Omar. Il est le secrétaire général de l'UNUN. Ça va, M. Albadé Ça va, Yannick. Et vous, vous représentez de quoi De étudiant euh, jamais à Abdou C'était dans un message à la nation le 18 mars passé shugaban kasar mu Isuf Mamadu anon sai rihewar aeroportinmu liƙewar duk wata bodan Niger e ce qui nous intéresse aujourd'hui liƙewar makarantu na primary secondary da duka wasu manyan makarantu du coup tout le monde est à la maison tunda muke ba mu taɓa samun irin wannan taɓarɓarewar situation kin ba jar ba wani kwanje ba ba vacances ba ba yajin aiki ba kawai kowa na gida matasa sun faɗa muna mine ne suke yi cikin wannan zaman gidan nasu bisa kan lambar mu ta WhatsApp suka aiko mana ra'ayinsu. Kuma suka shi depuis la suspension des cours je me connecte je suis Je vais même installer des nouvelles applications <laughs> pour euh, diminuer la nuit. Ok, je dirais depuis la fermeture des écoles, on est à la maison, on passe presque tout notre temps collé à nos téléphones, la télévision. Peut-être quelquefois on ouvre un peu les cahiers. Au début, moi, je prenais le confinement à la rigolade. Mais vu que les jours passaient et qu'on n'a pas de solution pour nous les élèves, ça me tracasse vraiment. Parce que moi, perso, je passe tout mon temps sur mon téléphone. Il m'arrive des fois de prendre mon livre, un roman, je fais un ou deux pages et je dépose. Je n'ai rien d'autre à faire à part dormir, manger. <laughs> rien d'intéressant à faire. Et ça, ça me pénalise gravement. Monsieur Isaac Omoru, Kurei to kuma kun ji wa'annan 'yan makarantar suna zance wasu sai vrai sun ga gaskiya sun ce wasu kwana ne suke haƙar he goma wasu su ce tele suke kallo su ce suna laƙe ga telefon kinsu wasu kuma sun ce suna ɗaukan kur suna revise suna lecture a ganin ku da gaske ne wa'annan matasan an kuka sani wa'annan 'yan makarantar naku sun tsaya su yi wani lecture wani abu zai sa su zai ƙara su koko dai daɗin bakin da suke nan gamuna nan ga. <laughs> donc eh, je pense que véritablement il y a des enfants studieux qui en dehors de toute pression, peuvent continuer à réviser leurs cours s'ils ont un time out, s'ils ont un moment où mhm. ils ne font rien. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des élèves, quelle que soit la pression, s'ils ils ne sont pas... En tout cas, ils ne peuvent pas venir euh, réviser des cours au moment où on a suspendu les cours. Donc, il faudrait préciser qu'il y a les deux catégories d'élèves. Ce que je voudrais dire que les cours soient suspendus ou pas, je pense que les élèves ont des cours à réviser, donc il faudrait qu'ils euh, s'attellent à... Qu'ils s'y mettent à s'y mettre, oui. Ouais. Donc, yanzu bari ndawo gare ke a besoin les dames d'abord. <laughs> Même si j'ai commencé avec monsieur. Yanzu vous êtes des étudiants, c'est ça? Yanzo, yanzu moi, je kuna aya mana ku yanzu a lokacin wannan da babu cours Zainab tu peux me dire un peu si toi tu fais quelque chose de constructif pour toi dans ce temps là na san dai da inda mun san abun da muke yi mutum ya san ciwon kanshi ba mutum ya san ciwon kanshi ba zai zamna ba a ne rien faire hmm. saboda shi ni je prends mes modules je ina nan ga ina nan ga yi karatu gida hmm. c'est une occasion pour moi kamar in doka Ku da ina tunda wataran ba ma daman gare ka ba yanzu dai dama an same shi kenan yanzu da ina da dama ina nan ga ina nan ga karatu to da kun wa'annan wanda muke tare su mem si sai dai boss a cikin etudiant kin ma yanzu muna so mu san kamar ku monsieur albade akwai abin da kuke yanzu da aka tsere ku to mu deja mu shugabannu ne kenan kin san da ba mu da zama ko mm. an tan normal ma ba zama muke ba bale yanzu da da akwai matsaloli da yawa Mhm. tun kwanakin bayan nan ma da corona ya zo ma ya kun san mushanninmu suna cikin grave duk lokacin nan bamu nan ga zama yanzu ma dai akwai wasu matsaloli duka da muke neman mu ciwo kansu kenan mu mhm. dai kullun cikin yawo yawo ne muke muna can minister muna can senu muna can rectora muna can ba mu da dama dai kuma a memtan dan lokacin da muke samu da ba mu zuwa fak muna dan lecture kaɗan tunda akwai livrori wanda ya kamata muna da program kinsu sai mm. pour nous yanzu mu dan shanye su mu dan ƙara zirin ilimin mu Ouais, to, mm. kaiwa. Mm. Bus. To. <laughs> Gaya mun kai la? Eh wannan lokaci ya kamata na a ce 'yan makaranta sun samu wani abu na amfani da sun kai. Tunda eh, wanda an ka yi ya kamata a ce 'yan makaranta sun dauke su wanda ba su gane ba. Mm. Tunda ba ko wani ku da an ke mana ka gane shi. No no. Mm-hmm. Bayan kur akwai inda ka gane akwai inda ba gane ba. Kuma in ka azama ka gane kur ya kamata a ce akwai waɗansu librori na waɗansu manyan mutane sun kai rubutu suna nan aje ya kamata a ce ne mutum ya da ke su yi lecture dan eh, ya samu karin bayani kana daman karatu ni ina daman karatu cikin dare in mun samu lokaci an ce eh, lokacin confinement ne kamata ta su ta. bayan mun kalle eh, information in mu muna yi mu da pesi in mu muna ni ba abun muna so masu dama don tuleka muna mhm. so barma mutane su gane hmm. su sanda ba zama a ce ko dai akwai wannan ciwo bai kamata ba a ci mutane an zamana kawai ana ana shan inuwa ana yawa suna ta su shan shayi suna ta su wadansu abubuwa hmm. vraiment eh, ya kamata a rage cikin abubuwa da yawa to yanzu ai muna tare da wani mushe shi kuma mushe na ya gaya mana kamar yanzu kai mushe mushushika ya ne suke fasan wannan tankin nasu to merci eh, cette période de suspension de cours des cours hmm. généralement nous avons 80% des enseignants qui ont quitté leur domicile pour leur poste, donc c'est mm. le moment pour eux de regagner leur famille, leur foyer, et nous sommes en période de confinement, ils seront obligés de rester, à, la, maison, et de peut-être euh, réfléchir à de nouvelles méthodes de d'enseignement et surtout aussi renforcement de capacité tout ça surtout aussi renforcer leur euh, capacité il y a un nouveau programme qui leur a été parachuté sans formation conséquente donc c'est peut-être le lieu pour nos camarades enseignants de rester à la maison et de s'approprier de ce, de, de, ce nouveau programme d'affiner tout ça ok merci bien monsieur ma he mu gaito wanda za su ba mu amsoshin wannan tambayoyin namu a nan gida shi yasa muka zo nan siyar mu na studio kalangu da kenan kwara kano amma muna da wani makwabci sudar kenan yanzu kukan aikin shi ne kuke nan kuna ji nan <laughs> kusa da mu yana na yana taya mu hira shi ma kuna ji wannan shirin namu kuna so ku ba mu ra'ayinku kan lambar mu ta whatsapp 80 kenan place à présent à la rubrique réalisée par Mr Dondi rubrique spéciale sensibilisation covid 19 cette fois-ci, on va écouter Phenobi. Face à cette pandémie du Covid-19, les artistes nigériens se mobilisent et participent activement à la campagne de prévention contre le coronavirus. À ce titre, plusieurs messages, vidéos et clips musicaux d'artistes circulent actuellement sur Internet pour parler de la maladie et les moyens de la prévenir. C'est donc dans cette idée que nous irons à la rencontre de certains artistes parmi les plus charismatiques de la musique urbaine au Niger pour nous parler de leur engagement pour la lutte contre le Covid-19. Nous recevons ainsi et comme premier invité pour cette rubrique un vieux de la vieille école de la musique urbaine Made in Niger qu'on ne présente plus. On l'a connu sous le nom de FENOBI, leader du groupe Kadangaskia 1 puis Kadangaskia 2 et aujourd'hui en solo sous le pseudo de Phoenix FENO. On lui souhaite la bienvenue FENO, Comment vous allez Euh, bonsoir Dondi, bonsoir à tous les auditeurs. Phoenix Feno, crois-tu à cette euh, maladie wanda euh, ba su raide da wannan ciwo ina ce su bari taurin kunne su bari yin taurin kunne ciwon nan ba wanda zai ce babu shi ba wanda zai so ya kama shi kenan in an ce abun akwai shi in an ba in an ba ku uh, maganganai ku aiki da su mm. kar ku zamna ku ce babu ciwon nan ciwon nan akwai shi Quel appui Phoenix Feno a déjà apporté dans le cadre de la lutte contre euh, le Covid-19 To cikin wannan kokowa dai don wannan ciwo ya hita cikin kasanmu ko 'yan kasanmu su amince da akwai shi, mun kawo gudunmuwanmu, mun kawo mu. mun magana cikin television mun magana cikin rezo sosiyo mun kama wasu su yi magana kuma hallo kenan muna ce ma mutane don allah don annabi kasu yi taurin kunne Est-ce que vous pouvez exposer déjà un peu euh, de quoi vous avez parlé sur les réseaux sociaux euh, parlant de gestes de barrière Abin da mu yi magana bisan su dai suna da yawa. Ka san an ce don mu yi kokowa da wannan ciwo in um, muna iya mu zamna gida kan mu hita. In muna hita ko mun hita mun dawo an ce kullum mu zan wanke mu ko mu yi aiki da sabulin nan da ana ce ma liquid hydroalcoholic ko mu sa takunkumi ko in muna tare da mutane mu sa meta guda tsakanin mu mu bari abun nan kamar a ce mu zo mu taru mutane da yawa wannan duka an ba mu mm, labari da kanmu yin su in mutane sun yi amince da waɗannan ciwon nan Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire de plus eh, pour enrayer cette maladie sur le sol nigérien eh, wannan mu na Nijar ni a gani na mutane su saurari abun da shugabannai suna gai mutane su saurin kunne mutane su saya su yi aiki da hankalinsu su san da ciwon nan kowa ne ba zai so a ce yana cikin kasan mu ba kenan mutane su saurari shugabannai su yi aikin da abun da suna gayi kuma mu yi kokowa hannu cikin hannu wannan ciwo ya hita cikin kasan mu. Phoenix Feno wasika na karshe zuwa ga matasa. Ina kawo magana na zuwa duk matasan Niger mu yi sayin daka. Ina so matasan Niger duka su amince da akwai wannan ciwo kuma su bi eh, maganganu da an ba su don wannan ciwo kai ya kama su in sun bi shi wannan ciwo sai da a ji ga wani mai ba ba mai duku shi yake da doti matasa e ya adana shi watan wataran sai ya hau abu ne voici donc pour vous la toute dernière sortie de l'artiste Fenobi là nous étions en 2011 alors 2020 mesdames et messieurs voici pour vous Bédier la toute dernière sortie de Fenobi pour faire plaisir à tous qui sont fans de l'artiste Phoenix Feno. C'était votre rubrique Covid-19. L'artiste s'exprime. C'était Phenobi dans le message spécial sensibilisation COVID-19. Retour à la fada, anan siège 15 studio Kalangu de kenan Kwarakano. Indam muka gayyato mu shushuka mu da ɗalibai 'yan makaranta da manya-manyan magabatan su wanda suke representan su a wannan fadar muna tare da Zainab Abubakar Zaku, elle est présidente Jeunesse Plus, ONG Jeunesse Plus. Oui. Kina kwanta min miya a wannan Jeunesse Plus kin? Euh, ONG Jeunesse Plus muna aiki ne don mu yi contribuer a education a matasa Matassa, ok. a accompagné Matassa. Yanzu, nous sommes également avec euh, Monsieur M. Isaac Omar du SINASEB, suis Mouchan Lokone, Munkaila Ibrahim, il est le secrétaire général adjoint de l'US. Nous sommes également avec Albade Omar, il est le secrétaire général de l'UNUN. Nous avons Madame Chima Moustapha, elle est professeure de droit dans plusieurs instituts de la capitale. Tagaya Mouna, comment kakane Matassa, ce qui est wa'annan alban da suke gida suke iya amfani da wannan lokacin nasu da suke a gida don su yi wani abun zai pourquoi ne pas créer des projets, monter des projets dans plusieurs domaines C'est des jeunes, cela veut dire qu'ils sont ambitieux. Et ils ne sont pas là pour regarder les autres, mais ils sont là pour construire leur, leur avenir. Donc, euh, moi, ce que je leur souhaite, c'est de se d'échanger autour d'un cadre ou autour d'un idéal, pourquoi pas. Dans plusieurs domaines, ça peut être le business, ça peut être le domaine euh, agricole, l'élevage, ça peut être euh, des projets dans, le domaine du NTIC, pourquoi pas. Les formations aussi, les renforcements de capacités, ça peut être dans le domaine politique aussi, pourquoi pas, parce que ça concerne les jeunes. Ils peuvent aussi penser aux langues, s'auto-former ou bien créer des groupes d'échange dans ce même cadre, des cours en ligne ya dai kun son dispense to amma yanzu muna so mu sani karin eh, bayan kuke iya ba musu kan abin da matasa suke iya yi in suka zama gida qu'est-ce qu'il peut faire pour euh, capitaliser ce temps passé à la maison albade je commence par toi eh to zaman gidan ga abu ne da ba wanda mu muka zaɓe shi ba Allah ne turo mana shi kenan ba zamna ba zamu mai ta kuka di ba za wani alheri za mu yi hudda ciki nasara ke cewa a quelque chose malheur bon cikin komi ka ba akwai sheri akwai kuma wani alheri ciki yanzu mu diba wanga abin ya sa ya tura mu gida muna zama gida to mi za mu iya cikin zama gida kinna da harko dai kwanakin baya ma mu yi declaration mu da ah, shugabannu na din jami'a muka ce ma kamarad lokacin ga kowa ya yi itilizin shi aiki da shi don abin da ake ce ma auto formation tunda da yau dai da yanar gizo da abubuwa da yawa mutum kana iya neman ilimi yadda ya kamata duk wani abun kana neman shi ka buga bisan google ko wani waje kana iya samu menene kenan muka ce ulaikin mutum ya yi zaman banza cikin karatun nan ka san daga program ga program ka nan ko ma baka da program ka tabo lezansiyan ko ka tabo mushe yana iya turo ma program kin kenan sai ka shirya kanka tunda ka san da dantule ka abu ne sai ka yi shi gaba dole kenan tun yanzu on profit sai ka shirya kenan mu muna sa murya ga duk kamar mu kowa ya yi profite y Il a eu auto formation a une lecture il y a koyi wani il y a ya koyi wani c'est l'occasion pour nous de mu koyi Il parle de cuisine Zainab eh, lui là c'est un futur megida <laughs> il a pensé à la cuisine Zainab tu es la jeune fille de cette fada aujourd'hui, la jeune femme, je dirais, de cette fada aujourd'hui, en tant que jeune femme, qui a gagné qui a les matas, et mata qui est utilisé en tant que abou de ce qui est à gira de ce de ce qui est ce qui est je dirais que euh, il a raison c'est vraiment une belle occasion pour euh, celles qui ne savent pas cuisiner. Ah ouais. D'apprendre à bien cuisiner pour ne mhm. pas qu'elle ait des problèmes une fois <laughs> Plus tard, <laughs> d'approcher les mamans ou les bonnes. je dirais aussi c'est une belle euh, occasion pour nous d'apprendre à lire le Coran. ouais. Oui, la jeune fille, euh, nous, vraiment, on n'a pas le temps et Dieu merci, c'est pas pour rien peut-être que Corona est venu et a fait en sorte qu'on reste tout le monde à la maison. Hein? <laughs> on, va, on, va, profiter et lire le Coran et vraiment apprendre à prier. La majorité des filles ne savent pas bien prier. Je suis désolée, on prie juste pour prier. Donc euh, c'est une occasion pour nous de, se perfectionner dans beaucoup de choses. Oui, de, purifier vraiment nos âmes. Et aussi euh, de prendre soin de nous. Ah oui. Les belles coiffures. Ah ouais ah oui, Il faut se faire une jolie peau là. <laughs> le soleil ne nous voit même pas. On profite de ça. Et pour prendre un vraiment quand le gars ou ton copain va te voir dehors, il, va se dire mais écoute, ah toi, tu dois rester à la maison, hein, je vais te payer chaque fin du mois. <laughs> Tu vois non T'es plus jolie quand le soleil ne te tape mm. pas le visage. Attends. Ah, est-ce que j'ai payé la dame mon suis là <laughs> Oh, boss, tu es trop occupé. Oui, oui, oui. oui. Oh, euh, on a écouté Madame Tchima qui parle de comment capitaliser le temps qu'on passe à la maison. yanzu kai akwai abin da kake iya akwai karin bayan da kake iya ko wata shawara da kake en ba yan uwanka matasa da suke zama na gida yanzu to wallahi wannan lokaci da bamu da wani karfi gaban shi tunda wannan lokaci eh ce kan mu telokol kuma in muna ma kan mu hita mu ifada fada kuma in muna gida Eh, kan ma mu ta yi yi wani taro mu yi abu ya kamata ne a ce abu biyu nake su mutane su gane duk 'yan makaranta da suna ya kamata su taimake iwayenmu kasan eh, taimake iwaye yana da infani da yawa albarka yana da albarka wani suna cikin daji su taimake eh, mu 'yan mata su kusa su zo kusa ga Eh, mamman su zo mm. su gani kakani ana aiki tunda kashi yanzu abokina ake ya kamata a ce 'yan eh, eh, matanmu su koya da huwa don cikin mutum ya ta gidanta wallahi in mutum ya ta gidanta in ba ta ce da huwa <laughs> ai ana samu cikas cikin kenan wannan lokaci in kuna ya jiki ya tsira eh ana da group un mata suna group ana cuisine ana reset amma reset ashirin ko dai ba <laughs> su yi kenan ya kamata na a ce sun koya to me sai kun wa'annan manyan suka ce yanzu muna les élèves les étudiants na ko ina tout ce qu'il faut pour euh, avoir des cours en ligne wani apprendre l'anglais ou l'espagnol tout ce qu'ils peuvent faire là, ils ont besoin de quoi eh, les solutions proposées que nous avons vues, c'est des solutions qui touchent peut-être 10% des scolaires nigériens. Parler de cours en ligne, parler de cours euh, via ORTN ou Télé Sahel, ce sont vraiment des solutions qui ne touchent que à peu près 10% des, scolaires nigériens. Et il, faudrait, il ne faudrait pas qu'on voit la suspension des cours pendant deux semaines ou bien pendant un mois, comme un drame au Niger. Le Niger, pendant chaque année, avant l'arrivée du coronavirus, nous, en tant qu'enseignants, pour des petites choses que le gouvernement peut régler, on a l'habitude de faire des mois de grève sans qu'on nous appelle. Donc, vraiment, notre système éducatif est habitué à la suspension très longue des, des cours. Donc, moi, je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure, le coronavirus est là le coronavirus a ressorti la défense de notre système éducatif. Il faudrait que tous les acteurs, que ce soit enseignants, que ce soit eh, étudiants, que ce soit eh, autorités, il faudrait qu'on revienne à la table pour dire toutes les vérités, pour sauver ceux qui reste à sauver de notre système éducatif, pas de notre année scolaire. C'est à Hankali. C'est vraiment. <laughs> Coronavirus, c'est la goutte d'eau qui a fait le canari.

Mais me terre quand je dois m'exprimer vous voulez réagir sur ces émissions, le 80 06 88 54, c'est le numéro sur lequel vous pouvez réagir sur le numéro magique de tout ça la fada. Retour à la fada avec nos invités aujourd'hui, Omarou du Sinaseb, Monkela Ibrahim, SGA de l'USN, Albade Omar, secrétaire général de l'UNUN, Zainab Aboubakar Zakou, elle est la présidente de l'ONG Jeunesse plus yau muna muna hira bisa kan wannan zaman gidan da 'yan makaranta suke yi notamment kakane za su yi capitalizan wannan tankin menene suke iya yi da wannan lokacin don su yi abin da zai kara su gobe in an koma lakwal yanzu tambayar mu ta karshe duka wannan lokacin da 'yan makaranta suke gida sin ne capitalist fasa monsieur albadi ai an yi asara ko a tuka kun ga don wanga abin cikin addini ma ana cewa mutum ya yi profite da tan libirkin ka kayan lokacin occupation yanzu lokacin ga babban ni'ima ce babban sa'a ce gare mu kan mu dibe shi mi ta kuka mi ta jinini ko mi ta wani abu dan shine muna so muna daga murya ga kowa kan mutane su ji su bar tsoro panic ta shiga kansu cikin harkar corona kin ga a'a il faut quoi compter ya kwantar et respecter les différentes mesures comme quoi different ya ne yi profiter, ya ne ci parce que euh, pendant ce temps de confinement et cette histoire de corona la pandémie là il est vraiment important pour euh, ceux qui ont des ONG, des sociétés consorts, de, de vraiment accompagner l'État, le gouvernement de vraiment accompagner les jeunes, nos jeunes frères et sœurs qui sont vraiment dans cette euh, situation, dans une situation vraiment qui nous touche à fond, qui nous touche le cœur. Moi, je pense que les ONG peuvent se voir. Et que chacun apporte son grain de sel dans cette sauce fade. Hein. c'est une approche euh, généreuse de cette situation. Monsieur Zandao Garekou, il faudrait qu'on se dise la vérité. L'école nigérienne est déjà malade avant cette maladie. Il ne faudrait pas que les autorités pensent que cette année, c'est parce qu'il y a coronavirus qu'on va peut-être faire année blanche. Non, il y a l'intention de vouloir faire des grèves. Les grèves sont, ont déjà commencé. Nous, au niveau de notre de notre corporation, nous avons lancé un ultimatum avant cette coronavirus. Et nous savons qu'après coronavirus, nous allons nous retrouver. Donc, pour nous, nous souhaitons un après coronavirus, virus. plein de belles choses pour tout le monde. oublier aussi le véritable problème de notre système. USN, <laughs> mon kare wannan shirin amma yanzu muna so mu ji zancen ka na karshe da zaka ba musu kan wannan yaran da suke gida me ka ce musu zancen ka na karshe wallahi zancen na karshe shine eh abunda eh muna so abokanan namu su yi kama wanda muka ce duk wannan maganganun da muka yi ya kamata a ce su samu su sa su gaba don su san da abun da zai imfaninsu duk cikin wannan lokaci ni na ce egyptist ke fada da yawa a ta a yi voyage cikin gida kamar cikin karti ina yara yanzu ba su samun lokaci su zamna bayan mangariba ko isha mene suna yi 'yan lakon ne ha katirem turaziyem akwai wani sun kai turaziyem so uku akwai wani ba samu ba kuma wani suna lakon suna katirem turaziyem fada ne suna cikin gida har turazar katira da mata fada su yi yabbe wannan bai da infani mutum su ta yi kwana kin katira da mata gobe sai wajen midi turaziyem ne zai tashi da kwana kinan bai samu kowane infani cikin wannan da eh, lokacin. mun gode mun kai lakon abin da ya ce dai mu dai musan ciwon kanmu. in mami ake in corona ake in grave ake in me ake kai da dalibi sai to ake fara kenan kowa ya san ciwon kanshi ya san abin da yake so cikin rayuwar shi wannan shirin namu ya kusa karewa amma kam yi kwana da juna an va accueillir notre chroniqueur chouchou de la fada Olivier Yanné ouais ça va et toi to Olivier muna shinka super bonsoir les invités ah, bon, ce soir, j'aurai besoin de vous dans quelques minutes dans la chronique. Santé, quand on est testé positif, cela veut dire qu'on est malade. Depuis le début du coronavirus au Niger, c'est le CERMES, Centre de recherche médicale et sanitaire qui fait les tests pour les cas suspects de maladie à coronavirus. Ces résultats sont transmis au comité de gestion de la crise sanitaire qui se charge ensuite de la diffusion. Mais est-ce que lorsqu'on est testé positif au coronavirus, cela veut dire qu'on est malade Vous, ici, présent, votre avis m'intéresse. Oui, si je suis testé positif, cela veut dire que je suis malade. Donc euh, Tout simplement, le virus euh, euh, Covid-19 est retrouvé en face, nest de ton système immunitaire. Mais cela n'engage pas le pronostic vital. Je peux vaquer à mes occupations, je peux faire tout ce que je veux. Et je suis le traitement au stade euh, euh, euh, bénin, au stade maligne, jusqu'à ce que les anticorps n'est-ce pas, de l'organisme arrive à finir la lutte qui va sans le doute finir par vaincre le Covid-19. SGA Moukaila, étudiant en médecine. Étudiant en médecine, ça, ça le fait. on est avancer là. Ah ouais, là, on peut avancer tranquille. Pour avoir bien évidemment une source médicale, j'ai cherché des jeunes étudiantes en médecine et sciences de la santé. Est-ce que le résultat positif d'un test de coronavirus signifie que la personne est malade selon leur année d'expérience et leur niveau d'études universitaires Elles répondent. C'est un couteau à double tranchant en fait, parce que la personne est testée positive, oui, mais ça ne veut pas forcément dire que les signes de la maladie sont là, pas forcément. On peut tester la personne, euh, la personne sera positive, mais tu vois, la personne n'a aucun signe de la maladie. Mais n'empêche, on va dire qu'il est malade parce qu'il a ça et il peut contaminer. Quand on est testé positif, on est malade, ça il faut le savoir. C'est que les symptômes n'ont pas commencé à apparaître. Les signes aussi n'ont pas commencé à apparaître. Mais dès qu'on a le virus, ça veut dire qu'on est malade. Parce que quand les signes n'ont pas commencé à apparaître, ça veut dire que le virus est en période d'incubation. Il est en train de prendre son temps pour bien s'installer. Et en ce moment, peut-être la prise en charge serait beaucoup plus facile si on peut le dire. Dès que tu as tu es testé positif, tu es malade parce que tu peux aussi le transmettre à d'autres personnes. C'est comme ça. En conclusion, tout porteur du Covid-19 est malade de ce virus. Mais la différence, c'est l'étape de la maladie. Plus c'est connu assez tôt, plus la prise en charge est facile. Mais dans cette lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, comment le Niger utilise-t-il la technologie pour la gestion Réponse demain dans la chronique avec Mystère Dandy. Merci Olivier. Ben, c'est la fin de tous à la FADA. Merci à nos chers invités qui sont là malgré les, les mesures, les contraintes, COVID-19 et tout le tralala. Comment on doit en wanda muka gaita suka gayi wannan lokacin da ake zama na gida yan makaranta ya kamata a ce kowa ya samu abin da za yi ka a yi zaman banza ka a yi zaman kashe wando ka a zaman shan inuwa ka zaman shan shisha kowa ya samu Koda, da yau ko da journal ne kake karantawa dai ka ci gaba ko wani livre ka samu kana karanta dai ka ci gaba yahi a ce an yi wannan zaman baka komi ba in ji mai sai isa ke ce lokaci ne zai kamata a ƙara adiba dukkan matsalolin da lakwal kinijar take ciki a samu a san an za a yi a kare da wannan matsalolin duka gobe sai kun haɗu da abokin aiki na don shi kuma zai hira bisa kan hanyoyin da ya kamata a samu a bi don a samu dai wannan anekin ka ta zama blanche ta zama dai a ne normal sai mun kara haɗuwa bisa kan tusa alafara ko kuma ce 80 06 88 54 lambar da kuke iya ba mu ra'ayin ku bisa kan shirye-shiryen namu sai mun kara haɗuwa a zamna lahiya a zamna gida a yi hattara.